m'excuser de ces quelques minutes de retard. Normalement, on devait démarrer à 9h30. Il fait déjà 10h moins 12. Je voudrais, au nom de M. le ministre Alil Doy, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, vous souhaiter la bienvenue. Et comme nous vous l'avons annoncé dans les l'aide d'invitation. Nous allons juste partager ou informer sur euh, un concept nouveau que nous voulons partager avec les acteurs au Sénégal, avec l'appui de la coopération allemande et en parfaite collaboration avec les ministères sectoriels, particulièrement le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Donc, comme nous l'avons noté dans, l'agenda, nous allons démarrer par une petite cérémonie protocolaire qui sera articulée autour de trois interventions. La première sera celle de la coopération allemande, qui sera suivie par le discours du coordonnateur de la direction générale du secteur financier au ministère des Finances et du Budget, et moi-même, au nom de M. le ministre Alindoy, je procéderai à l'ouverture officielle de l'atelier. Donc sans plus tarder, nous allons passer la parole à la coopération allemande pour son mot d'ouverture. Merci beaucoup, messieurs le secrétaire général du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, euh, Messieurs monsieur le coordonnateur, mesdames et messieurs les directrices et directeurs, chers partenaires, chers invités, Devenati à toutes et à tous. Je m'appelle Sabrin Peters, je suis le directeur de projet de la GIZ du projet Accès au financement pour les petites et moyennes entreprises. Et nous, en tant que coopération technique allemande, sommes très fiers d'accompagner les ministères de l'Environnement et du finance sur cette activité très importante. L'avenir du Sénégal est vert, mais il faut le financer je pense qu'on peut prévoir beaucoup de financement dans le secteur vert au Sénégal dans les prochaines années. Et notre activité ici, la taxonomie vert, va soutenir le Sénégal à bien recueillir, rattraper ces financements. À l'entame euh, de mes propos, permettez-moi de vous remercier pour votre présence à cet atelier d'information et de partage sur le projet d'élaboration et de la taxonomie verte au Sénégal. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous euh, et d'entre nous, ce sujet n'est pas encore euh, familier, mais comme vous allez le découvrir à travers les présentations et les échanges qui vont suivre, euh, nous parlerons aujourd'hui d'un sujet d'une très grande importance sur de nombreux sujets. En effet, la taxonomie verte, pour parler dans un langage simple, est une classification qui permet de définir les activités économiques qui contribuent à la réalisation d'objectifs environnementaux. L'objectif de la taxonomie est de faciliter la mobilisation de fonds privés et publics pour plus d'investissements dans activités vertes. En d'autres termes, il favorise un financement plus simple et plus conséquent des activités qui rentrent dans le cadre de la sauvegarde de l'environnement ou de la lutte contre le changement climatique. La coopération allemande, à travers le projet Accès au financement pour les PME de la GIZ, accompagnera nos partenaires, notamment le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique et le ministère des Finances et du Budget, comme principaux acteurs pour bâtir le cadre de rédaction et de mise en application d'une taxonomie verte au Sénégal. Comme vous le savez sans doute, le Sénégal a affiché sa volonté de s'engager vers une transition énergétique ambitieuse avec l'objectif de monter à 40% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 ce qui équivaut à un financement de l'ordre de 2,5 milliards d'euros, selon le président Macky Sall. Un partenariat pour une transition énergétique durable, Just Energy Transition Partnership, JETP, avec l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Union européenne, a été annoncé lors du sommet sur le nouveau pacte financier à Paris. La coopération allemande se réjouit de collaborer avec le Sénégal sur ces objectifs importants. Cependant, la mobilisation de fonds pour les ambitions vertes du Sénégal reste un challenge. De ce fait, la participation du secteur privé est indispensable, d'où la pertinence du sujet qui nous réunit ce matin. Après l'Afrique du Sud et le Rwanda, le Sénégal sera pionnier parmi les pays de l'Afrique subsaharienne et francophone à disposer de ce cadre qui va permettre de clarifier quelles sont les activités à classer comme vertes et qui entrent en lien direct avec les objectifs du Sénégal en matière de transition écologique. Chers participants, merci pour votre présence à toutes et à tous. Il est particulièrement important pour nous d'impliquer la totalité de l'écosystème dès les premières réflexions minutes de cette activité importante. L'objectif de cet atelier d'aujourd'hui n'est pas seulement d'informer, mais aussi de discuter et d'échanger. Nous vous remercions donc pour vos contributions constructives aux réflexions, la démarche de la réalisation d'une taxonomie verte au Sénégal. Merci pour votre aimable attention et bon atelier. Merci Monsieur le Secrétaire général du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Monsieur le Directeur du projet Access de la GIZ, de la coopération allemande, et Mesdames, monsieur les représentants de l'administration, Madame la représentante du directeur national de la PCAO pour le Sénégal, Messieurs et Dames, je voudrais d'abord au nom de Monsieur Momodou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, saluer cette belle initiative du ministère de l'Environnement avec la coopération allemande de la GIZ de nous réunir ce matin pour euh, échanger sur ce projet de mise en place de la taxonomie verte. Nous tenons cette rencontre dans un contexte où nous subissons les effets de plus en plus sévères des changements climatiques, tandis que nous n'arrivons pas toujours à mobiliser suffisamment de ressources financières pour les, activités d'atténuation et les activités d'adaptation liées à cela. La réponse à cette euh, préoccupation est urgente. Urgente parce que déjà en 2009, la Commission européenne estimait, en liaison avec la COP 15, qu'il fallait pour les pays en développement 100 millions d'euros par an dans les 10 années qui allaient suivre, c'est-à-dire jusqu'en 2020, pour la lutte contre le réchauffement et l'adaptation dont 22 à 50 milliards devaient provenir de ressources publiques. En plus de la rapidité avec laquelle les changements climatiques nous impactent, le problème le plus important, c'est celui du niveau de capitaux nécessaire à une bonne gestion de ce phénomène, euh, puisque les investissements dans les infrastructures énergétiques des marchés émergents doivent à eux seuls atteindre au moins 1 000 milliards de dollars américains d'ici à 2030. M. Euh, monsieur Peters est revenu là-dessus dans son allocution donc, c'est vous dire un peu euh, l'immensité du travail à faire et l'importance de ce travail que nous avons commencé aujourd'hui, euh, d'élaborer une classification, de mettre en place un cadre pour pouvoir accueillir, booster un peu euh, les financements verts au Sénégal. C'est la raison pour laquelle il est heureux à l'occasion du sommet sur le pacte sur le financement mondial tenu à Paris sous l'impulsion de son Excellence le Président Macky Sall donc, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Sénégal et le groupe des partenaires internationaux composés de l'Union européenne, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, du Canada et de la France ont lancé un partenariat pour une transition énergétique pour soutenir les efforts du Sénégal visant à atteindre l'accès universel à l'énergie et consolider un système énergétique bas carbone, résilient et durable. Le Sénégal et l'IPG ambitionnent de mobiliser au moins 2,5 milliards d'euros, soit plus de 1600 milliards de francs CFA sur une période allant de 3 à 5 ans. Mesdames et messieurs, le ministère des Finances et du Budget, à travers la Direction générale du secteur financier, s'investit dans le financement de la contribution déterminée au niveau national, qui est l'engagement du Sénégal vis à -vis de l'accord de Paris sur le climat. En effet, en dehors des allocations budgétaires aux différents départements et entités publiques, le ministère des Finances et du Budget travaille actuellement à l'élaboration du rapport national climat et développement, ainsi qu'au financement des risques climatiques dénommé Global Change en relation avec la Banque mondiale. Le dit rapport devrait établir le diagnostic de notre économie tournée vers l'émergence en prenant en considération les aspects liés au changement climatique, et au développement durable. Il devrait servir à prioriser les actions les plus efficaces qui peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre et accélérer l'adaptation tout en réalisant les objectifs de développement durable. Je rappelle également que l'État du Sénégal dispose d'un cadre d'émission d'obligations vertes, sociales et durables. Mesdames et messieurs, même si la finance verte ou durable se situe à un stade encore embryonnaire au Sénégal et dans la sous-région ouest africaine. En ce qui concerne les autorités publiques, nous devons mettre en place un cadre approprié pour les acteurs et aligné aux objectifs environnementaux et de durabilité du Sénégal. La taxonomie vient s'ajouter aux instruments cités plus haut afin de renforcer le cadre d'exercice de la finance durable et faciliter le financement de la contribution déterminée au niveau national et des politiques publiques vertes et durables. J'invite donc tous les acteurs à participer activement aux travaux que les ministères en charge de l'environnement et des finances démarrent aujourd'hui avec le soutien de la coopération allemande, la GIZ, car la taxonomie n'intéresse pas que le secteur financier. Chers participants, pour clore mon propos, je voudrais remercier le ministère en charge de l'environnement, représenté ici par M. le secrétaire général Bissé et tous ceux qui ont répondu présents à cet atelier pour manifester l'importance accordée aux questions environnementales et de développement durable. Mes chaleureux remerciements vont également à la coopération allemande, la GIZ, M. Peters, qui nous propose son appui pour l'élaboration de la taxonomie. Cette offre succède à plusieurs interventions très appréciées par le gouvernement sénégalais, en particulier en faveur du financement des entreprises ainsi que du développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Je vous remercie de votre aimable attention. Je le représentant de la coopération allemande, mesdames, messieurs les représentants des ministères sectoriels, mesdames, messieurs les représentants des institutions financières, mesdames, messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames, messieurs, chers invités, les amis de la presse, je voudrais, à l'entente de mon propos et au nom de M. Doy, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, vous présenter encore une fois toutes nos excuses pour ce léger retard et vous dire tout le plaisir que nous avons aujourd'hui d'être parmi vous pour euh, échanger sur la taxonomie verte au Sénégal. La présence massive des acteurs concernés justifie à suffisance l'importance de ce thème qui est nouveau, mais qui va rejoindre d'autres concepts qui étaient déjà là, pour certains très en avance dans la réflexion, mais pour d'autres, malheureusement, sont là, mais n'ont pas connu le même développement ou le même essor. Donc je voudrais tout d'abord magnifier cette rencontre, qui est très importante pour nous, État du Sénégal, à travers le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, mais surtout les autres ministères sectoriels. Le ministère de l'Environnement n'étant que peut-être au début de la réflexion, mais in fine, c'est le gouvernement du Sénégal qui va porter cette réflexion à travers ces différentes entités, mais aussi en partenariat avec tous les secteurs qui gravitent autour de l'écosystème financier. Notre pays est profondément tributaire des ressources naturelles. Les atouts du capital naturel sont essentiels pour les activités économiques et la subsistance de nos concitoyens. Dans le même temps, le potentiel de croissance économique future et le développement lui-même sont mis en péril en raison de la dégradation de l'environnement et du changement climatique. Il n'est nullement nécessaire de rappeler les importants besoins de financement pour faire face à ces changements climatiques. Il urge, compte tenu de la complexité croissante et de la multiplicité des crises écologiques, devrait à rendre les flux financiers beaucoup plus verts dans une logique de justice climatique. Conscient de cet état de fait, le Sénégal a entrepris plusieurs initiatives allant dans le sens de promouvoir une finance beaucoup plus verte, beaucoup plus durable. On peut citer l'adhésion à la plateforme internationale sur la finance durable, un forum multilatéral pour les autorités publiques en charge du développement de politiques et d'initiatives de finances durables. La définition d'un cadre de référence pour les émissions d'obligations vertes, comme l'a souligné tantôt le coordonnateur. La formulation de réformes phares en matière de financement vert dans le cadre de la structuration du PSE vert. Et tout récemment, comme l'a rappelé M. le coordinateur, à l'occasion du sommet pour un nouveau pacte financier, dont l'objectif est de construire un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire. Le Sénégal et le groupe de partenaires internationaux, composés de l'Allemagne, de la France, de l'Union européenne, du Royaume-Uni et du Canada, ont lancé un partenariat pour une transition écologique juste. Lors de ce sommet, le président de la République, son Excellence M. Macky a déclaré, je cite, Les crises multiformes que nous vivons aujourd'hui mettent à rude épreuve les économies africaines, notamment dans leurs efforts importants consacrés au développement économique à l'accès à l'énergie et à l'industrialisation. La diversification de nos sources énergétiques et de nos chaînes d'approvisionnement permettra d'augmenter notre résilience. Fin de citation. Mesdames et messieurs, chers invités, au cours de la dernière décennie, la finance verte et par extension la finance durable est devenue un enjeu important dans la mobilisation des ressources pour la transition écologique. La finance traditionnelle dirige l'épargne vers les projets les plus rentables, sans prendre en compte suffisamment les aspects environnementaux. La finance verte, quant à elle, finance des projets ne portant pas atteinte à l'environnement ou concourant à la transition vers une économie verte. Elle apporte des solutions financières et offre de réelles opportunités de financement au secteur de l'environnement et à la promotion du développement durable. Il s'avère nécessaire pour la mise en confiance des investisseurs et l'assise de la transparence en matière d'activités vertes durables au plan environnemental d'établir une taxonomie. Pour les investisseurs, la taxonomie aidera à s'assurer que leurs investissements ont un impact environnemental significatif, en particulier pour les investissements basés sur la dette. Pour les porteurs de projets et les entreprises, la taxonomie permettra de savoir si leurs activités entrent en conformité avec les objectifs et engagements de l'État du Sénégal, particulièrement dans la contribution déterminée nationale qui est notre feuille de route pour l'application des accords de Paris. En définissant clairement quelles activités économiques sont considérées comme durables sur le plan environnemental, la taxonomie verte lutte contre l'éco-blanchiment ou greenwashing et facilitera la compréhension de l'impact d'une entreprise ou d'un projet sur l'environnement. Au niveau de notre continent, l'Afrique du Sud est le seul pays à mettre en place une taxonomie verte. En se lançant dans ce projet de taxonomie verte, notre pays réaffirme sa volonté d'être un pionnier et une place forte de la finance verte en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais ainsi convier l'ensemble des acteurs ici présents à accompagner et soutenir cette phase de préparation et d'élaboration d'un cadre pour la taxonomie verte afin de contribuer ensemble dans cette trajectoire de promotion de l'émergence dans la durabilité. Pour terminer, je voudrais une fois de plus réitérer mes remerciements au nom de M. le ministre Alundoy, à tous les participants ici présents, aux partenaires au développement et à saluer particulièrement la dynamique de l'appui technique de la GIZ à travers son projet Accès au financement pour les petites et moyennes entreprises pour l'élaboration de la taxonomie au Sénégal. Remercier l'accompagnement et le soutien permanent durant tout le processus des services du ministère des Finances et du Budget, des services du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Remercier tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, dans la réussite ou dans la tenue de cet atelier. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare au nom de M. Alundoy, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, ouvert l'atelier d'information sur la taxonomie verte. Je vous remercie de votre aimable attention. donc mbokk nous le ministre à ministre de l'environnement du développement durable et de la transition écologique Nous avons fini en ce moment Nous avons ndaje aussi bu xew jam ñaajo ñu fay wax investissement te de réew mi partenaire de gouvernement Sénégal Nous avons ci nuyoo bi suñu frère mais aussi nos collègues, M. Mankabou inspecteur des impôts nekk tay coordonnateur direction générale du secteur financier et de la compétitivité du ministère de finance et du budget Je remercie aussi M. Peters bi nga xam la fi coopération Arman waaye di nouveau ñëpp ñi nga xam ne ñoo nañ ministère wala turu partenaire wala turu institution Ce que fi avons fait nag mooy waxtaanee mbir avons xam ni dañ koy junj rek wax taxonomie verte muy lu bees loo ministère des finances ministère de l'environnement la coopération allemande rek mënuñu ko doxal ndax dañu seetlu Sénégal a na tradition financement depuis bi ñu amee indépendance ba léegi ñu ngi jot ay ndimbal wala ñu ngi ay wala dons wala ay subventions pour ñongal suñu réew ci ay réaliser infrastructure ci ay accompagner ay projets initiative publique wala waaye li nga ci seetlu mooy wàllu environnement dafa nekk tey loo xam ni moo lëmbee àdduna ndax démb démb rek ñi ngi wax ne ba àdduna soog léegi c'est la première fois ñu am deux jours successifs yoo xam ni la température toll na fu musta toll xamuñ tey lu muy révélé bu fekkee tey la tendance est maintenue mooy dinañ toog trois jours yoo xam ni bi àdduna soog léegi tàngoor musta toll fii loolu nag mu ñuy interpeller ñun ñëpp qu'est-ce qui est à l'origine de ça pour certains c'est des phénomènes naturels pour d'autres il y a la main de l'homme mais lu ci man di am ñu ngi dund nous sommes le 6 juillet amaguñ fenn fu tooy Sénégal alors que à l'époque 6 juillet dañ daan en plein hivernage sedd moom y koy des Grecs, mais amatul donc est-ce qu'on peut rester 12 mois sur 12 nek Tangor ça doit nous interpeller bu tawee inondé savez, tawul am donc qu'est-ce qu'on doit faire pour faire face war nañ war nañ lekk war nañ naan war nañu sàmm war nañu bay war nañu napp géej gi ñun ñëpp gis nañ ko ça devient de plus en plus li ñuy dundee day gën a cher parce que dañ koy defaree day gën a yokk courant ndox lépp mi ngi wër waaye jariñoo ko jafe na tey ñun ñëpp ku ci daan wuti financement yow li nga bëgg rek mooy réaliser sa projet mais jan jeexital la projet bi am ci environnement bi du interpeller kenn ñu ne nag tey Sénégal nekk na ci trajectoire boo xam ni c'est une trajectoire irréversible d'abord bu ñu jëlee ci wàllu énergie muy wàllu mix énergétique peut-être wax na ko léegi ci discours am objectif bi mooy l'accès universel Sénégal ñëpp am courant ñëpp am accès à l'énergie le mix énergétique le Sénégal bokk na nous sommes à plus de 30 pour cent bi l'industrialisation du Sénégal Nous dañu bëgg a pays industrialisés. industrialisé sous peu nous war exploiter pétrole et le gaz mais projets sont financés. Le financement yi ñuy jot dañu bëgg des financements verts Nous ku am sa projet beaucoup réalisé. réaliser nga ni bëgg tabax tali bëgg naa def centrale bëgg naa def bëgg naa def bëgg naa def ñu ne la c'est bien mais tey boo jaaralee tali bi fii wala boo defee centrale bi fële ban jeexital lay am ci askan bi dina faciliter accès à un service mais aussi derrière ban conséquence lay am ci dëkk nit ñi donc yooyu yëpp nag war ci waxtaan ñun duñ ay financier mën nañu am ay idée mais ñi yàlla dénk loolu ci réew mi mooy waa ministère des finances ministère de l'économie ak yeneen partenaires yi nga xam ñooy ànd ak ñun seen xam-xam may nañu ba tey Sénégal amna na wax des obligations vertes tay bu défé emprunt obligataire lañ cay jël day nek lo xamné day financer des projets yo xamné dañuy am des empreintes di impacter positivement sur l'environnement lool nak lañ bëgg ñun tay invité nañ ay banques invité nañ ay ay institutions invité nañ ay techniciens invité nañ ay ministères invité nañ ay privés xalaat bobu nak ñu xol banque bi tay bi wara financer. est-ce que moom warut dugal boppam ne léegi ku may accompagner nag ma indil loo xam ne dina am jeexital ci wàllu environnement tey privé bi concevoir projet am bu koy concevoir ti mu ne ah naa bàyyi xel wàllu environnement institution financière yi aussi ñi nga xam ne ñooy encadrer financement yi ñoom aussi ñu dugal loolu ci seen bopp ba nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi jógati pour def loo xam ne dina indi njariñ ci askan wi derrière ñu xalaat lan lañ ci mën a def loo xam ne dina mën a indi vraiment le bien-être des populations loolu nag xalaat la bu tàmbali rek xamuñu fu muy yem xamuñu fu muy jëmee mais yaakaar nañ ne ak seeni contribution ak seen expérience ak seen engagement dinañu permettre ba nga xam ne tey buñ génnee ci waxtaan bii nga xam ne amorce rek la dinañ amaat yeneen jéego yoo xam ni liñ ci bëgg mooy kilifa yu magi ci réew mi dem ba valider ko politiquement nga xam institutionnellement léegi dañuy dugal taxonomie verte ci suñu architecture ou suñu nomenclature ba nga xam ne tey waa ministère des finances waa ministère de la coopération fu demati dinañ xam Sénégal kat jóg nañ pour taxaw ci financement vert voilà les projets qui sont conçus voilà les financements qui sont sollicités et voilà l'impact que ces projets auront sur les populations loolu daal mooy li nga xam ni moo ñu fi dajale tey di leen santaat di leen gërëmaat bu baax a baax di remercier ñëpp ñi fi teew di wax ne comme niñ ko defee woon ci agenda bi j'ai préféré enchaîner avec le wolof pour vraiment ñu bañ a couper l'élan comme on a accusé du retard pour ñu mën enchaîner sur les présentations et éventuellement sur les questions réponses et contributions